Monsieur, bonjour. C'est pour la vie. alors qu'on euh, a deux gars qui prennent l'avion. Non, on va tout droit. Mais. on aurait dû prendre nos valises aussi. Hein.

c'est la première fois qu'une telle évacuation massive de Français a lieu au Sahel. L'opération est donc surveillée de très près par, par Paris. j'ai pu parler avec un membre de l'entourage du président Emmanuel Macron qui me dit que depuis Brégançon, il se trouve actuellement pour une vingtaine de jours en cet été. Eh bien, Emmanuel Macron surveille de très très près euh, tout ce qui se passe. Il est en étroite collaboration, bien sûr, avec le, Quai d'Orsay. Il décide, le Quai d'Orsay applique.